Et il y a des orchestres même qui se sont disloqués. Et il y a des bars où le contrat ont été résiliés avec les, les, les, orchestres, vu qu'ils sont restés fermés. Nous, ne sommes même pas sortis, au fait, de la première vague, des conséquences de la première vague. Et là, tout de suite, il y a une deuxième vague qui est là. En deux semaines, nous avons vu les répercussions, surtout au niveau des, des artistes. Ils n'ont aucun métier si ce n'est pas la musique aujourd'hui. Et ils sont privés de leur activité. Ils sont privés euh, de gagner, c'est-à-dire leur sueur. Il y a eu des tournées que des orchestres devraient partir, par exemple en tournée en Europe, même en Afrique, participer à des festivals. Tout cela euh, est devenu aujourd'hui euh, caduque. Malheureusement, le gouvernement ne pense pas à ces, à ces artistes parce que si je prends Zender, si je prends Maradi, Agadez, aujourd'hui, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus d'animation culturelle. Vous voyez Heureusement, pendant les campagnes, il y avait des artistes qui accompagnaient les partis politiques pour leurs meetings, etc. Mais une fois les meetings euh, terminés, voilà, c'était le confinement. Eux aussi, ils, ont, ils sont en cessation de travail et ce qui est grave pour l'intérieur encore, ils n'ont pas eu même la distribution de ces, de ces vivres-là pendant les trois mois. Parce que euh, l'argument que nous a donné, c'est Niamey seulement qui a été confiné, c'est Niamey qui était sous couvre-feu. Et là encore, c'est grave aussi pour euh, ceux de l'intérieur, parce que j'ai vu beaucoup qui viennent à Niamey actuellement pour essayer de voir ce qu'ils peuvent avoir, soutenir. Nous savons que le Niger est un pays de fraternité, de solidarité, c'est de soutenir aujourd'hui ces artistes il faut voir comment le gouvernement doit les accompagner. Parce que quand vous fermez quelqu'un, quand vous dites à quelqu'un de ne pas travailler, il faudrait aussi lui ouvrir d'autres portes. Aujourd'hui, les artistes sont là. Nous avons vu, lors de la première vague, ils étaient les premiers à anticiper. Ils ont sorti des chansons de sensibilisation pour euh, la COVID. Ils ont sensibilisé la population. Aujourd'hui, le gouvernement peut utiliser ces artistes pour dire, bon, écoutez, on vous a fermé, venez, vous allez passer dans la sensibilisation. Parce que c'est le rôle également de leur donner du travail à travers cette sensibilisation euh, de la pandémie. La musique, quand vous prenez, nous, avec la NAFIM, nous avons répertorié euh, jusqu'à quatre catégories. Nous avons ceux qui, la musique urbaine, c'est-à-dire les rappeurs, la musique euh, traditionnelle, ceux qui font le yeti avec les calabas seulement, les molos qui font le takamba. On a la musique euh, néo-traditionnelle, quand on prend le style euh, Danke Danke Soga. Après, vous prenez moderne, c'est-à-dire les orchestres. Cinquième catégorie aussi, qui est là, qui est musique du monde. Des étrangers qui sont au Niger, qui jouent la musique également. Ils jouent dans des bars, ils jouent dans des hôtels, etc. Nous, quand même, à Niamey, on était recensé à 1200 actifs à Niamey. 1200 actifs au niveau de Niamey. Et au niveau de l'intérieur du pays, on peut dire, euh, en moyenne, on peut être, euh, on peut être 10 ben, moi, le prix de cœur, c'est vraiment de soutenir les artistes aujourd'hui. Et l'artiste, c'est le témoin de son époque.